forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes en Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, Bouza, Tamaské, Mainosoroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel, Sai, Tanut, Madawa, Dakoro, Dogonduki, Walam, Tira, Ngingimi, Kablewa, et dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit au total 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum s'intéresse au mariage au Niger. Comme vous le savez, nous sommes dans la période des grandes vacances au Niger, un moment chargé de célébration de mariage, notamment ici à Niamey, et des mariages scellés de façon traditionnelle, mais aussi devant le maire. Et que dit mariage j'ai dit aussi dépenses dans un contexte de difficulté de tous ordres. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Oustaz Fatou Mahmoudou, prédicateur en islam. Oustaz, salam alaikum. Wa salam Avec nous également le révérend Sabou Bachiri, secrétaire général de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Amen. Révérend, bonsoir. Au Niger, la jeunesse constitue la frange la plus concernée par le mariage. Si par le passé, le mariage était scellé dans la simplicité, de nos jours, l'organisation du mariage constitue une succession de dépenses interminables. Ainsi, le coût du mariage est déterminé par différents aspects. Il y a la tradition et le statut de la famille notamment. En plus, dans certains cas, les mariages sont contractés doublement de façon traditionnelle et de avant le maire. On va aller vers vous, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou. Euh, que dit la religion musulmane à propos du coût élevé du mariage Alhamdulillah Rabbil Alameen. wa الصلاة ala على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار yaqin. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mariage béni est celui dont le coût est moindre. Donc une fois que le mariage est exorbitant, donc ça euh, tend vers l'échec. Malheureusement, les gens sont cupides, ils sont attirés par le matériel, ce qui les pousse encore des fois à mentir. Et essayons de voir même le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire le couple. Les femmes sont cupides et les hommes sont des menteurs. Et le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, transaction dans laquelle les deux parties sont honnêtes, ils vont tirer profit de leur transaction. Mais une fois que l'une ou les deux parties mentent, ça ne peut être que le fiasco. Aujourd'hui, dans le mariage, il y a trop de mensonges. Vous essayez de faire ce que vous ne pouvez pas. C'est comme un adage africain qui dit que tout bâtiment construit avec de la salive sera détruit par la rosée. Donc voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, Oustaza, euh, comment le mariage doit être célébré en islam vous savez, l'islam ou bien n'importe quelle religion est venue d'abord pour effacer la tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun parmi vous n'est encore véritablement croyant jusqu'à ce qu'il abandonne sa passion et accepte mon message. Est-ce aujourd'hui c'est ça Il faudrait qu'on abandonne tout ce que nous connaissions de mal et adhérer au message du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam fait le mariage d'une façon très simple. L'islam exige d'abord une dot qui varie de 1 franc jusqu'à l'infini, c'est-à-dire selon les moyens de tout un chacun. Malgré que E, e, d'ailleurs même, l'islam exige même une bague comme d'autres. L'islam exige encore une connaissance de certains versets coraniques comme d'autres pour avoir la femme. aujourd'hui, il faudrait voir, nous avons trouvé nos parents qui autrefois donnaient des têtes de, de chèvres de moutons pour célébrer les, mariages. Ces mariages-là durent, oui ou non. Comparer ces mariages-là aux nôtres aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, il faudrait qu'on s'attache à ce que Allah subhanahu a dit, si toutefois nous voulons la paix et la tranquillité. Alors, Oustaz, les dépenses lors d'un mariage varient selon les traditions des différents groupes sociaux. Euh, comment l'islam aborde-t-il les questions de la tradition concernant le mariage Oui, tel que on l'avait dit tout à l'heure. Il y des bonnes traditions et des mauvaises traditions. mais oui, mais oui. Étant donné que l'islam est venu pour dégager tout ce qui est mauvais à nous et accepter le message d'Allah wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on nous demande C'est-à-dire que faire euh, le mariage, organiser des festins, tout ça, l'islam reconnaît ça, mais ça doit se faire dans la limite de la loi. Par exemple, le Coran nous dit À l'occasion donc de votre mariage, il ne vous est pas interdit d'organiser des festins. Il dit mangez et buvez sans commettre d'excès. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Est-ce que dans nos, <laughs> dans nos cérémonies, on ne commet pas l'excès on le commet. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore Ne soyez pas dépensiers, car ceux qui sont dépensiers sont les frère de démon. Un franc que vous dépensez dans un chemin que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, fait de vous déjà un frère de démon. Et pourquoi Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion du mariage de ses compagnons, il leur a invité donc à organiser un festin. Il dit il faudrait égorger même ne serait-ce qu'un petit ruminant. Tu nous invites, on va venir manger. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, nos dépenses ont des limites Alors on va aller vers le euh, révérend euh, Sabo Bachiri. Euh, révérend euh, Sabo Bachiri, que dit la religion chrétienne à propos du coût élevé euh, du mariage au Niger euh, Merci beaucoup. Euh, le mariage est une institution divine. Il faut le rappeler, c'est Dieu qui a institué le mariage nous le voyons amener euh, une femme auprès d'Adam, Ève, pour qu'il la prenne euh, comme épouse. Mais là, nous voyons que Dieu a tout disposé, il ne leur manquait euh, de rien. nous ne voyons pas là de dot. Peut-être qu'on va dire que la société ne s'est pas développée encore à qui Adam aurait pu <laughs> donner cette dot. Il a accepté. C'est Dieu qui a tout arrangé. Et Dieu a laissé les hommes alors libres dans le cadre du mariage. Mais nous voyons, euh, comme l'a dit euh, Oustaz, que ça dépend des moyens de la personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas souffrir, ou plutôt euh, euh, payer une dot, si on doit parler euh, d'une somme quelconque, pour avoir euh, une femme à côté d'eux. Donc il y en a qui, qui, la reçoivent, je dirais, gratuitement ou bien gracieusement, c'est la grâce. Mais nous voyons, quand nous regardons dans la Bible, notamment au chapitre 24 de Genèse, nous voyons le patriarche Abraham, Abraham qui est aussi appelé l'ami de Dieu. Abraham voulait une femme pour son fils Isaac. Eh bien, il a envoyé Éléazar, c'est un intendant syrien auprès de ses parents pour qu'ils prennent une femme pour Isaac. et disent que les femmes de ce pays <laughs> sont des païennes. Il ne faut pas que euh, il a fait même jurer hein, cet intendant-là pour qu'il aille. Eh bien, il lui a donné euh, beaucoup de biens, de l'or, beaucoup d'or. Abraham était riche quand même. C'est quelqu'un qui peut lever une armée de 300 hommes pour aller combattre pour lui. Donc, ce n'est pas une petite personne. Il est extrêmement riche. Eh bien, cet homme riche a donné beaucoup de richesses à son intendant pour qu'il aille prendre une femme pour son fils. Eh bien, quand... Pour ne pas vous couper, révérend, est-ce que ce n'est pas là le début de l'excès Pour moi... Euh, en tout cas pour la Bible, sur le plan spirituel, quand Dieu te fait une grâce, il faut montrer de la générosité. Euh, Dieu n'aime pas des gens euh, pingres. Justement, il y a des gens qui ont de l'argent et qui disent, bon, maintenant, comme on a dit qu'il ne faut pas dépenser trop, ils réduisent ou bien ils serrent leur bourse. Justement, donc leur cœur, les dispositions de leur cœur ne sont pas les dispositions de Dieu. Quand Dieu veut donner quelque chose, il donne généreusement. Mais la générosité de Dieu n'est pas un gaspillage. Donc, Abraham, à a envoyé chercher cette femme. Parce que Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné beaucoup de biens. Et il va aller prendre une femme. Et la dot n'est pas un salaire, n'est pas un prix. Mais quand même, quand tu prends une femme d'une famille, il y a beaucoup de douleurs que ça engendre. Donc, la dot peut être une atténuation. Et nous voyons que quand il est arrivé, cet homme, euh, il a fait beaucoup de cadeaux à la famille. Et après, il a fait aussi beaucoup de cadeaux. Il a donné des bracelets d'or à la jeune fille avant qu'elle n'accepte, elle, a consenti avant qu'elle n'accepte de le suivre. Donc, mais on voit euh, dans certains cas, c'est ce que tu as que tu peux donner. La Bible nous dit que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Il ne faut pas, mhm. si tu es pauvre, prétendre que tu es riche. Là, la fondation est ratée. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Je retrouve qu'il a pas grand-chose. Donc, il y a là de la ruse. Donc, il ne faut jamais utiliser de l'argent pour la ruse. Si la femme t'aime, si l'homme t'aime, vous allez vous en tenir à ce qu'il a. J'ai vu des mariages où la femme a dit à l'homme ce que tu as, il faut amener. Je vais dire à mes parents, c'est ma dot que j'accepte là. Même si c'est un peu, c'est pour moi, je l'accepte. Et les parents, comme tu l'aimes, il faut le suivre. Mais aujourd'hui, le mariage est une véritable transaction. Les familles qui sont dans la pauvreté veulent sortir de la pauvreté à partir du mariage. Ça, c'est une malédiction. Elles tombent dans beaucoup d'autres choses pires euh, que la pauvreté. Révérend Sabo Bakiri, euh, comment le mariage doit être euh, célébré chez les chrétiens Je ne sais pas quel aspect vous voulez aborder dans le cadre de la célébration. Dieu nous appelle à la modestie, pas à l'excès, à la modestie. Même si tu es riche, ce n'est pas pendant le mariage que tu vas tout dépenser. Tu as une famille à bâtir. Il y, a des gens qui vendent leur terrain, des gens qui vendent leur maison pour se marier. Mais c'est de la folie, ça. Et souvent, quand les mariages sont chers, déjà, c'est un grand marché qui est créé là, et la femme ne reste. Ce que tu as acquis dans le cadre du mariage à prix d'argent, il te faut beaucoup d'argent pour le maintenir. Là où on est monté, c'est là où on descend, comme on dit. Donc, si c'est l'argent que tu as montré, tu es condamné à montrer cet argent. Et la Bible nous dit que l'argent a des ailes. Il peut s'envoler. Donc le jour où tu es pauvre, seul l'amour peut vous maintenir. Donc la célébration ne doit pas être un sujet d'ostentation, de richesse ou de, de biens matériels. Ici, les gens euh, montrent qu'ils sont quelque chose. Un bazin de 1 million 500 pour dire non, non, non, au mariage d'un tel, voilà ce qui s'est passé. Juste l'histoire. Il y a des gens qui te disent, c'est une fois la vie. J'ai le petit dédié aux gens, écoutez, hein, faut pas après le mariage que tu viennes nous demander quoi que ce soit. Tu dois économiser pour prendre C'est quand la vie du mariage commence que la femme va découvrir qu'elle a épousé un responsable. Alors, euh, révérend euh, Savo Bachiri, est-ce qu'il y a d'autres causes liées au coût élevé du mariage au Niger Oui, il y a d'autres causes. Quand j'étais jeune, je voyais comment euh, les mariages étaient organisés. C'est vrai, dans un milieu pauvre, même un peu d'argent, c'est beaucoup à cause de la pauvreté. Et Qu'est-ce que les gens font Généralement, c'est les, familles qui se réunissent et chacun apporte euh, ce qu'il peut apporter. Et la personne se marie, on amène la dot. Et même quand on doit accompagner la femme de l'autre côté, c'est une question de solidarité, c'est les gens euh, qui accompagnent. Mais aujourd'hui, euh, pourquoi le mariage est devenu cher Même dans les campagnes, quand tu demandes, tu vois que les, gens de la campagne viennent en ville commander du matériel pour amener à la femme. C'est très cher. Pourquoi la dot est très chère Dans certaines région, régions, euh, les gens, quand ils vont donner leur fille en mariage, c'est tout un problème. Si tu prends par exemple en Inde, hein, c'est l'homme, c'est le papa qui doit dépenser beaucoup d'argent, c'est un problème. Quand tu amènes une dote de 2 millions, les gens vont t'amener un truc de 4 à 5 millions. Donc toute la famille est ruinée comme ça. On t'amène lui, on t'amène ceci, on t'amène cela, on t'amène cela. Pour ma part, euh, je donne mon exemple, quand j'allais me marier, j'ai déjà avec euh, ma future femme, convenu de tout l'équipement qu'il faut. Et j'ai avec elle, ensemble, d'un commun accord, acheté tout l'équipement. Je ne veux pas que sa famille soit ruinée à cause de mon mariage. Ensemble, on a convenu, voilà ce qu'il nous faut, voilà ce qui nous est nécessaire. Donc, pourquoi le mariage est cher C'est parce que les gens aujourd'hui ont abandonné d'abord nos traditions, les gens n'ont plus la crainte de Dieu, pourquoi vous voulez s'enrichir sur le dos de quelqu'un et les gens veulent s'enrichir sur la base du mariage. Et là, si ce n'est pas l'amour qui est la base du mariage, tout autre fondement va s'écrouler Il ne peut pas résister, comme le dit le Seigneur, aux tempêtes, aux inondations, c'est-à-dire les épreuves de la vie qui vont venir se jeter contre ce foyer. Il ne peut pas durer. Alors, on va retourner vers euh, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou. Oustaz, euh, certains musulmans, après la cérémonie religieuse euh, du mariage, se transportent à la mairie pour célébrer le le même jour le mariage civil. Comment cela est-il interprété en islam Si ceux-là sont réellement des musulmans, ils doivent respecter ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam Il dit Ya ma'ashar shabab al Oh, vous, le groupe, le groupe de jeunes, quiconque parmi vous veut se marier, doit qu'il se marie. C'est-à-dire, quiconque parmi vous a la capacité de se marier, alors qu'il se marie. La capacité ici a été interprétée en trois points. Il y a la capacité financière, il y a la capacité physique et il y a la capacité morale il faut avoir une richesse pour se marier, pouvoir s'entretenir, euh, entretenir sa femme euh, matériellement. Et il ne faut pas être fou, n'est-ce pas C'est ainsi aussi, il ne faut pas être un impuissant, d'accord Et l'islam nous dit maintenant pour célébrer le mariage, il y a certaines conditions qu'il faudrait réunir. D'abord, il faudrait qu'il y ait l'amour quand vous ne vous aimez pas, quel que soit ce qu'on aura fait, ce mariage-là ne va pas durer. Quel que soit celui qui, serait à la tête de ce mariage, ça va échouer. C'est comme si aujourd'hui vous avez fait Tant que l'aliment qu'on vous donne ne vous donne pas satisfaction, vous ne pouvez pas manger ça. Euh, révérend euh, Sabo Bachiri, c'est quoi le mariage euh, civil pour un chrétien Vous pouvez vous marier devant les oulémas, n'est-ce pas Le mariage religieux et aller le déclarer dans les jours qui suivent euh, à la mairie. Donc on vous donne euh, un, certificat de déclaration euh, de mariage. Ça, c'est possible au Niger. C'est que à cause de la religion, l'État a aménagé cela. Parce que, surtout que l'État civil n'est pas partout, pour qu'il y ait, peut-être avec les communes, ça, doit venir. Mais les gens préfèrent d'abord <laughs> se marier devant Dieu et après l'État enregistre. Et euh, le Niger euh, accepte euh, ce principe-là. Ou bien, carrément, dans l'Église aujourd'hui, dans certains pays, hein, dit chrétien, chrétiens, il n'y a pas de pays chrétien généralement, il y a des gens qui pratiquent la foi. Donc, dans certains pays qui sont beaucoup plus développés, on dit, si tu n'amènes pas le certificat de la mairie ou le ministre du culte qui célèbre euh, le mariage ne va pas accepter parce que vous n'êtes pas passé. Il euh, n'y a pas de preuve que vous vous êtes conformé à la loi. Donc, si vous êtes passé devant le maire, vous amenez le certificat et vous montrez au ministre du culte. Et là, il peut bénir le mariage. Là, euh, souvent on voit en Afrique beaucoup de mariages qui sont faits. Mais normalement, le ministre du culte, s'il si y a le mariage déjà fait à la mairie, il vient, c'est pour bénir. Bon, la plupart du temps, tu entends les ministres du culte dire je, je vous marie, alors qu'ils sont, <laughs> ils sont déjà mariés à la mairie. Eh, ils viennent à l'église, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ils nous, généralement, ils ne vont pas ensemble, ils ne vont pas aménager ensemble tant que cette bénédiction n'a pas été prononcée euh, devant Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le mariage civil. Et pourquoi les gens préfèrent euh, aujourd'hui le mariage civil euh, au mariage religieux c'est que euh, dans le mariage civil, pour rompre, il faut euh, une procédure euh, à justice. Mais pour le mariage religieux, c'est très facile. À présent, on va aborder euh, le phénomène du mariage précoce. Le mariage précoce qui est une pratique coutumière euh, qui remonte à des générations et à des siècles dans nos communautés. Au Niger, il concerne euh, les jeunes filles n'ayant pas atteint l'âge légal, c'est-à-dire l'âge de la maturité fixée à 18 ans. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, comment l'islam aborde la question du mariage précoce Alhamdulillah D'abord, euh, il faudrait situer le mariage euh, précoce dans l'espace et dans le temps. Autrefois, les femmes étaient rares. Pour trouver une femme euh, en mariage, il faut aussitôt qu'on apprenne <laughs> qu'une femme vient d'être née, <laughs> il faut lui attacher un symbole. Ah oui, que bon, j'attrape celle-là là pour, pour mon enfant. Autrement, voilà comment le mariage précoce nous était alors parvenu. Donc les femmes étaient rares. Et moi, je me rappelle encore, on était jeunes les hommes se cognaient la gueule à cause des femmes, parce qu'il n'y en a pas. Ou tu es là avec ta femme, quelqu'un vient, il te l'arrache. Donc, par manque de femmes, les gens étaient obligés très tôt donc d'avoir leur femme pour leur enfants. Le premier problème, d'abord, c'était comme ça. C'était la première cause. C'était la première cause, moi, c'est selon euh, mes connaissances. Après, avec l'évolution, il y a la dépravation des mœurs qui ont poussé certains parents à dire que bon voilà, ma fille là, il faudrait que je la case quelque part pour éviter certaines mauvaises pratiques. Moi, fils Abdullah, j'étais resté au Nigeria, à l'université Ileife. Voilà, si vous voyez ce que font certaines euh, étudiantes à l'école, vous n'allez même pas oser vouloir donner votre fille à l'école. Fils Donc, ça là, ça a poussé certains parents à vouloir marier leur fille très tôt. Il y a aussi certaines dispositions naturelles. Il y a certaines filles qui grandissent vite. J'ai rencontré une fois une enseignante qui m'a fait savoir qu'au CE2 déjà dans sa classe, il y a une fille déjà qui connaît les hommes. pour éviter les grossesses euh, non, désirées. Donc, euh, il faut résoudre ce problème. Une fois qu'on a atteint l'âge de se marier et qu'on ne le fait pas, c'est un danger. La femme, elle est considérée comme un fruit sur l'arbre. Quand le fruit là est mûr, il attire l'attention des gens. Soit on monte aller le chercher, on cherche un bâton pour le cueillir ou un projectile et vice-versa. L'homme, quand il voit ce qu'il lui faut, il est obligé de mettre tous les moyens. Autrefois, c'est sur le chemin des champs qu'on viole les femmes. Tout ça l'a réuni. Certains parents dit bon, moi, je ne dois pas vivre des choses pareilles. Il faut que je trouve une solution. Aujourd'hui, on a laissé libre cours. Dire que bon, mariage précoce, non précoce, je ne voudrais pas citer un pays africain que moi j'ai fréquenté il n'y a pas longtemps. Savez-vous que le nombre de, filles qui ont donné des grossesses non désirées, on a fini par créer une structure d'accueil pour elles. Mais qui, fils entre nous, veut voir sa fille, sa sœur dans cette situation Il y a d'autres aussi qui le font par ignorance, par pauvreté tu n'as rien, ta fille est là, tu penses que bon voilà, en donnant ta fille eh, en mariage précoce, tu peux te libérer d'elle pour te décharger. Ou bien tu vas faire un gain. Donc tout cela a poussé certaines personnes à pratiquer le mariage précoce. Aujourd'hui, regardez certaines filles qui font la mendicité. En fin de compte, comment voulez-vous que celles-là finissent leur vie C'est des petites filles qui s'adonnent à la mendicité. Mais quelle solution nous avons trouvé à ça Ce n'est pas une situation aussi difficile. Quand celles-là vont tomber en grossesse, quelle sera la solution vous avez tantôt parlé de la rareté des femmes avant, mais aujourd'hui, les femmes ne sont pas rares. Oui, aujourd'hui, je vous ai dit que comme les femmes ne sont plus rares, les mauvaises pratiques, ne voulant pas voir sa fille sa sœur dans telle situation, d'autres ont préféré dire que bon voilà, il faudrait que je case ma fille le, plus tôt possible pour que je ne connaisse pas la même mésaventure que les autres. Vous l'avez rappelé, Oustaz, le phénomène est considéré comme un moyen de lutte contre la déperdition sociale des filles, mais aussi comme un moyen d'assurer une descendance respectable et éviter la honte. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, comment choisir une bonne femme en islam hmm, Rabbil <laughs> Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum wa khidrat L'on a demandé au messager sallallahu alayhi wa c'est quoi khidrat deman il, il a dit que, c'est-à-dire que méfiez-vous de ces plantes qui poussent, donc euh, les plantes sauvages, mais qui sont belles à regarder. On lui a demandé mais c'est quoi cette plante belle mais que l'on retrouve euh, derrière le village ou bien sur les dépotoirs. Il dit ce sont ces belles femmes mais qui sont issues de mauvaises maisons. Les belles femmes, où est-ce qu'on peut les avoir dans des maisons où le chef de, de, famille est responsable, où le chef de famille décide pas une maison dans laquelle c'est la mère qui décide. Donc malheureusement, aujourd'hui c'est ça. Les gens vont rencontrer une belle femme qui a une très belle stature directement le gars, il me dit, elle est bien bâtie comme on le dit. <laughs> il me la faut. Ou bien moi, il me faut une enseignante. Ou moi, il me faut une infirmière. Mais quand elle est mal éduquée, tu vas regretter. Puisque c'est pas ça qui prime. Le prophète a dit, sallallahu alayhi on peut épouser la femme quand elle a quatre qualités. La beauté, la noblesse, la richesse et la religion. Mais le prophète a dit, sallallahu alayhi wa attelle-toi à celle qui a la religion. Tu ne seras jamais dessus Il nous a dit encore, sallallahu alayhi wa quand tu prends la femme parce qu'elle est belle, tu seras son esclave. Elle va être infidèle et tu ne peux pas la divorcer. Elle va vieillir aussi. Il y arrive. Quelqu'un qui a une, une, femme pareille, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ma femme, tout celui qui la touche, elle ne refuse pas. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, mais divorce-la. Il a dit, mais je l'aime. Le prophète a dit, garde-la. Donc tu es obligé de courir derrière elle. Et quand tu prends la femme parce que son père est ministre ou bien un grand marabout ou bien son père est président, mais tu, ne, tu connaîtras la déception. Tu vas lui parler chez toi, ses parents vont t'appeler, dire que bon voilà, tu ne sais pas de quelle maison il vient, ils vont t'humilier. Et quand tu prends la femme parce qu'elle est riche, c'est la même chose, c'est la désolation. Vous êtes là au salon avec elle. Elle va dire aux invités, vous voyez hein, ces fauteuils-là, c'est moi qui les ai achetés quand je suis revenu de Dubaï. Le véhicule-là, ça m'appartient. Et pendant ce temps, tu es où C'est pas ça que nous appelons aujourd'hui les Hajia. quand tu prends la femme pour ces, qualités-là, tu ne peux connaître que la déception et la désolation. Mais quand tu prends la femme parce qu'elle a la crainte de Dieu, c'est la paix, c'est la tranquillité. Malheureusement aujourd'hui, c'est pas un critère de choix chez nous. Alors, le mariage précoce est un sujet de préoccupation pour l'État et de ses partenaires. Comment faire euh, pour éviter le mariage précoce Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On ne peut revenir qu'à Dieu pour être en paix. Vous voyez, tel que je l'ai dit tout à l'heure. À supposer, vous allez trouver deux enfants de même âge. L'un va avoir ses dents poussées peut-être à partir de 4 mois. Vrai ou faux C'est vrai. L'autre, peut-être, il faut un an après. Vous allez trouver deux, deux enfants du même âge. Celui-là a commencé à marcher à 6 mois. L'autre, il lui faut encore un an après. C'est la même chose. Et atteindre la puberté, là, ce n'est pas au même âge. Quand déjà la fille, a 11 ans, elle a atteint l'âge de la puberté, vous lui refusez le mariage, qu'est-ce que vous faites le problème de la puberté, c'est quoi Puisque pour être en paix, le prophète a dit, cela. les délices de la vie, il y en a quatre. Manger, boire, dormir et la circulation des énergies. L'âge euh, légal est relatif. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tel que je vous ai dit, à, quel moment précis on a la dentition Est-ce qu'il y a un âge pour ça Y a-t-il un âge précis pour être en puberté Ça dépend d'un homme à un autre ou d'une fille à une autre. Quand on atteint l'âge seulement, il n'y a aucun problème. C'est des besoins naturels qui se font sentir, dont on est obligé de satisfaire. Et quand on vous prive de ça, vous allez tricher. Révérend Sabo Bachiri, et comment la religion chrétienne aborde-t-elle la question du mariage précoce euh, La précocité du mariage, euh, euh, sur le plan médical, présente des dangers parce qu'on estime qu'il y a un certain âge où l'enfant est bien développé et donc peut supporter la maternité. Et donc l'aspect médical hein, qu'il faut considérer et l'âge légal dont on parle, 18 euh, ans n'est pas nécessairement l'âge du mariage. Se marier à 17 ans, 16 ans mais aujourd'hui euh, est précoce euh, un mariage qui est célébré. Euh, c'est le mariage des enfants qui est interdit. Il a dit que le, mariage n'est pas un jeu des enfants. Et quels sont les critères, en tout cas pour, pour, se marier Il faut que la personne soit psychologiquement mûre. On, ne marie pas un enfant parce que le mariage ce n'est pas un jeu. On ne marie pas un enfant. ce n'a pas la maturité psychologique. Il y a une petite fille qui a été donnée en mariage. Elle est partie dans la chambre nuptiale. Elle n'a jamais vu euh, les organes génitaux de l'homme. Donc cet enfant-là ne devrait pas être donné en mariage parce qu'elle euh, ne connaît rien, absolument rien. Et dans l'ancien temps, comme il a évoqué, eh bien, euh, on fait une réservation. <laughs> oui, oui. Dès la grossesse, si c'est une fille, nous la prenons dans notre famille. Ça, ça unit les familles. Mais vous ne la prendrez pas avant, avant le temps. C'est dangereux de manger un fruit avant le temps. Il faut attendre. Donc, je voudrais donner l'exemple d'Abraham qui a envoyé pour chercher femme pour son fils. Et ils ont trouvé cette femme autour du puits. Et ils ont convenu d'un signe, ce serviteur-là. Il a dit que la femme à laquelle je dirai, donne-moi à boire, et qui dira, je vais donner de l'eau à tes chameaux, eh bien, c'est celle-là que je vais prendre. Il a trouvé euh, Rebecca. Rebecca a dit, je vais te donner de l'eau à boire. Elle lui a donné, et elle dit, je vais aussi abreuver tes chameaux. Ça fait 10 chameaux. Tu sais combien un chameau dans le désert consomme 150 litres fois 10. Ça fait au moins 1500. Au bas mot, une fille qui est capable de puiser une telle quantité d'eau pour donner à boire à 10 chameaux, ce n'est pas un enfant. Donc c'est une fille qui est capable d'aller en mariage. Donc quand tu regardes la Bible, les enfants ne se marient pas, mais c'est les gens qui ont un certain âge. Et bon, en Israël, 15, 16 ans avant, euh, les enfants sont déjà donnés euh, en mariage. Mais aujourd'hui, euh, à cause de l'école, parce qu'une fois que le mari prend la fille, généralement, son école ou son évolution sociale est plombée. La plupart disent, on va te prendre, je vais financer ses études. Mais dès qu'elle tombe enceinte, mais c'est fini, bye bye les études. Et tout cela amène les parents à dire non. Aujourd'hui, le mariage précoce ou la crainte de l'immoralité n'est pas la solution idoine pour donner les enfants à, mariage. Il faut euh, nécessairement éduquer les enfants. C'est vrai, on est dans un monde perverti. Les enfants à l'école, déjà au primaire, ils ont l'expérience sexuelle. Il Faut pas se tromper. Donc les parents préfèrent euh, les donner à mariage que d'entendre que leur enfant <laughs> a une grossesse euh, non désirée. Mais nous devrons affronter le problème plus sérieusement et que de livrer nos enfants très tôt dans, dans, le mariage. Mais il y a des enfants, si c'est le plan physiologique qui sont bien constitués pour le mariage. Même à 14 ans, même à 12 ans, même à 10 ans, tu as des, des filles qui sont capables de supporter le mariage. Mais c'est des enfants sur le plan psychologique, c'est des enfants. Mais aujourd'hui encore, ce que je déplore, c'est le, mariage de ces enfants-là, c'est des vieux. Quelqu'un qui a 50, 60, il va prendre euh, de petits-enfants, les gens qui ont l'âge de sa fille. Pour moi, c'est des vicieux, ces gens-là. Vous ne pouvez pas le faire. Avant, les gens ont honte, ils ne pourront pas prendre quelqu'un qui a l'âge de l'enfant. Ils prennent une, euh, une, dame mûre pour en faire une femme. Mais un vieillard qui a des enfants, tout petits enfants, c'est pourquoi tu vas voir souvent des drames. Le fils arrache la femme du vieux. Parce que pourquoi c'est un enfant Ils sont toujours ensemble. Ils sont décalés. Euh, que Dieu nous aide pour échapper à tous ces <laughs> phénomènes. Comment choisir une bonne épouse selon les prescriptions chrétiennes Rapidement. La, Bible nous dit euh, on peut hériter euh, de son père des biens, des maisons, beaucoup d'autres trésors. Mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Une femme vertueuse. Pourquoi une femme vertueuse C'est une femme qui a la vertu, c'est une femme qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qu'il faut avoir dans le cœur d'une femme. Une femme qui craint Dieu est une bonne femme, même si elle n'a rien, même si ses parents sont pauvres. Mais comme il a souligné, les gens aujourd'hui suivent l'argent. Ah, elle est éduquée, mais elle est éduquée, mais elle est pervertie peut-être. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'éducation. Mais si tu veux une femme, ce n'est pas son argent qu'il faut viser, ce n'est pas sa beauté qu'il faut viser, parce que la Bible dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée, c'est elle qu'il faut prendre. Une femme vertueuse qui craint Dieu, une femme vertueuse aussi, c'est une femme qui travaille. Il ne faut pas amener une femme qui va s'asseoir sur le salon en train de faire ses ongles. C'est à toi de préparer, de lui faire du café. Mais quel drame C'est pas un mariage ça. Que Dieu nous aide. Révérend Sabo Bachiri, selon vous, comment éviter le mariage précoce Pour éviter le mariage précoce, pour moi, il faut renforcer le système scolaire. Aujourd'hui, tu as des enfants qui sont à l'école. L'école ne marche pas. Mais comment maintenir quelqu'un à l'école alors que ça ne marche pas Si l'école marche, les parents seront encouragés à accompagner leurs filles. Mais si ça ne marche pas, c'est juste pour les maintenir pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de, mariage. Malgré tout, le système scolaire quand même est important. Au moins, ça maintient euh, l'enfant jusqu'à ce qu'il ait un certain âge, même s'il doit se marier. Il y, a une, protection de maintenir les filles à l'école jusqu'à un certain âge. Ça évite quelque part euh, le mariage précoce. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter le mariage précoce Les dispositions, c'est la sensibilisation, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si ton enfant est marié, marier précocement la divorce. Parce que Dieu a horreur du divorce. Tu as envoyé un enfant dans un système qui ne comprend pas. L'enfant fuit. Il y a des enfants qui se prostituent parce qu'ils n'aiment pas le type là. Elle ne le connaît pas. Aujourd'hui, les enfants sont très sélectifs. Tout, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour éviter tout cela. Est-ce que tu veux Rebecca, on lui a posé la question. Veux-tu suivre cet homme Elle dit oui, oui. Elle a donné son accord. Mais un enfant ne peut pas donner son accord. Très difficile. La décision d'un enfant ne prévaut pas en droit. Elle est, nulle. Il faut toujours un majeur, un tuteur pour euh, accompagner euh, cet enfant-là. La troisième et dernière partie de notre forum est consacrée au divorce. Le divorce qui est l'interruption volontaire ou involontaire des liens du mariage entre les deux partenaires d'un couple. En effet, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'un divorce. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, pourquoi, quand et comment divorcer en islam Alhamdulillah Rabbil Alameen. Et tel que mon camarade l'a dit tout à l'heure, Dieu n'aime pas le divorce. Mais malheureusement, ce qui peut être d'abord la cause du divorce, il y a l'ignorance. Les gens ne font plus de la recherche du savoir un credo. Et l'homme et la femme, ne connaissant pas leurs responsabilités dans le foyer, celui-là a misé sur la beauté. Il a suffi que la femme tombe en grossesse. <laughs> la beauté s'effrite. Celui-là a misé sur le matériel alors qu'on l'a menti. Si tu amènes euh, une dot de 1,5 million ou 2 millions, la femme arrive chez toi, tu veux lui donner les frais de 1000 francs, 1500. Euh, tu, tu vois, déjà, elle est, orgueilleuse, elle ne peut pas accepter ça. Et le, le, problème commence là. Il y a aussi le manque de formation. Les gens ne se sont pas formés, ils ne savent pas c'est quoi le foyer avant de venir. C'est comme quelqu'un qui ne s'est pas formé et qui a créé une entreprise. Donc l'entreprise ne peut que vouiller à l'échec. Donc, euh, et l'homme et la femme, ne connaissant pas le foyer conjugal, c'est un problème. Manque de formation, Manque de formation. démission de leurs parents euh, Ça ne peut être que ça. En islam, on dit que la femme est la première école pour son enfant. Cette dame-là, comment a-t-elle formé sa fille avant d'aller au mariage Et on gave la personne de quoi de, de, pour se marier. Il y a certaines femmes qui ne savent même pas préparer. Et beaucoup, vous voyez, quand on va à l'examen, on compte sur quelque chose pour réussir. Mais la fille, en se mariant, elle compte sur quoi Beaucoup, c'est sur la beauté. Je sais que je suis belle. Mais est-ce que quand l'homme va revenir de travail, affamé, il peut s'intéresser à ta, à ta beauté Quand le monsieur est revenu, puisque la bonne épouse est considérée comme un arbre ombragé, quand le cultivateur finit son travail, il vient sous l'arbre, trouver à manger et se reposer. Aujourd'hui, nos femmes, est-ce qu'elles constituent des arbres ombragés pour nous. Alors, tout ça là, ce sont les causes du divorce. Mais ce sont les causes du divorce. Comment divorcer alors Bon, avant de divorcer, aucun homme n'est parfait. Aucun. Que ce soit nous les hommes, que ce soit elles les femmes. Il faut pouvoir tolérer. Omar ibn al-Khattab, chez lui, il a, un émir, quelqu'un est venu se plaindre de sa femme. Il a trouvé Omar, sa femme est en train de, de, de le harceler le gars, il est retourné chez lui. Omar l'a vu. Quand Omar a fini de résoudre son problème chez lui, il a fait venir le monsieur. J'étais vu venir chez moi, après tu es retourné. Qu'est-ce qui ne va pas Il dit non, je suis venu me plaindre de ma femme et j'étais trouvé dans la même situation. Omar lui a dit non, les femmes sont comme ça, que si elle te fait du mal, il faut d'abord penser à ces biens qu'elle a eu à te faire avant de voir le défaut. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les femmes constituent la côte supérieure qui est toujours tordue. Si tu la regardes comme ça, elle reste tordue. Si tu essaies de la redresser encore, tu vas la casser. Donc il faut être tolérant. Ça c'est un avant de décider de dire que bon, ma femme là, je vais m'en débarrasser d'elle, tel que le premier jour quand il l'a vue, qu'est-ce qui s'est passé Il faut voir comment tu t'es adressé à elle. Quand vous vous êtes entendu, vous avez amené devant les parents. Les parents se sont réunis pour vous unir. Donc quand aussi le mariage aussi va euh, le divorce aussi va intervenir, il faut passer par la même procédure. Ce n'est pas le même jour qu'il faut dire ramasse tes bagages et va chez toi vous allez finir par regretter. Une fois qu'on décide dans la colère, le, résultat ne peut être que négatif. Dans la colère, dans la précipitation, les gens disent que bon voilà, je ne t'aime plus, prends tes bagages. L'autre dit, ah, si réellement tu es un homme, donne-moi mon papier. Ils vont se donner les papiers après le divorce est prononcé alors qu'ils s'aiment ils se sont rendus compte maintenant qu'ils se sont trompés, ils vont commencer encore à se fréquenter d'une façon encore euh, euh, discrète. Ça, c'est mauvais. Alors, Oustaz, rapidement, est-ce qu'il y a des procédures à suivre avant de divorcer une femme Mais il y a la procédure. D'abord, la femme là, avec laquelle vous ne vous entendez pas, vous essayez de la raisonner, lui montrer ses défauts, dire que bon, voilà comment elle doit se comporter. Si à votre niveau, vous n'arrivez pas à la convaincre, essayez de voir, soit un parent à vous, un parent à elle, pour un sage, pour qu'on puisse venir lui dire que bon voilà ce qui ne va pas. Et vous pouvez refuser de manger elle pas préparer, vous refusez de manger, vous vous couchez ensemble euh, sur le même lit et vous ne la touchez pas. Tout ça là, c'est pédagogique pour attirer son attention. Mais pas d'une façon brusque, dire que bon, voilà, prends tes bagages et va chez toi. Alors on va aller vers le euh, révérend euh, Sabo Bachiri. Révérend, pourquoi, quand et comment divorcer selon la religion chrétienne Pourquoi divorcer Je crois que Jésus a donné une parole très forte dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 jusqu'à 27. Il dit que c'est pourquoi toute personne qui en j'entends ces paroles que je prononce et les mets en pratique est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. Mais celui qui refuse ces paroles de fondement est semblable à un fou qui a construit sa maison sur le sable, quand ces événements cités plus haut frappe cette maison, la maison s'écroule. Voilà le divorce. Une maison qui n'a pas de fondation. Comme on dit à Hausa Shari il n'y a pas de fondation et ça sera détruit. Eh bien, euh, les causes du divorce aujourd'hui, euh, pour les éviter, les causes du divorce sont nombreuses. On peut citer euh, euh, le manque de fondation. Les gens ont menti, l'un à l'autre. Donc, quand tu <laughs> te rends compte que tu, es, euh, que, tu as été floué quelque part, tu ne peux plus avoir confiance à l'autre. Et, mais vous avez demandé euh, sur le plan biblique les causes de divorce. Euh, Dieu a dit euh, par la bouche du prophète Malachi qu'il a de là. Il a horreur du divorce. Et le mariage est une alliance. Et une alliance, ce n'est pas un contrat. Quand tu rentres dedans, c'est la mort seule. Parce que l'engagement du mariage est l'un des engagements les plus forts après l'engagement de la foi. Donc, les gens aujourd'hui divorcent d'abord parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas sa parole. Dieu a frappé Israël de beaucoup de malédictions parce qu'il a dit, tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, la femme de ton alliance. Aujourd'hui, pourquoi il y a divorce donc, la Bible dit, sauf pour cause d'infidélité ou pour cause d'adultère. Les gens disent infidélité, d'autres disent adultère. Donc, les théologiens même sont partagés. C'est quoi une infidélité Donc, sauf pour cause d'adultère, celui qui cherche sa femme l'exprime pose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc tu vois, c'est très sérieux. Aujourd'hui, les gens, à cause de la possibilité de marier plusieurs femmes, tu dis à ta femme, allez, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Donc c'est parce que tu peux épouser quatre femmes ou deux ou trois que tu peux chasser celle que tu as acquise, qui est avec toi, avec qui tu as duré une maman avec des enfants tu la mets dehors pour prendre une pervertie à l'intérieur de ta maison. Pour moi, la solution, hein, s'il y en a une, c'est l'interdiction, comme beaucoup de pays arabes ont fait de la polygamie, ou de facturer les polygames. Parce que ça met en danger les gens. Ça met en danger la stabilité même de la société, la stabilité des familles. deux femmes ensemble, c'est la guerre. Comme le dessinent souvent les Chinois quand ils déclarent la guerre, on met deux femmes ensemble. C'est la guerre. Il n'y a jamais de stabilité, il n'y a jamais de paix. On n'a que des problèmes. Mais l'homme sage, il prend une seule femme. Bien ou mal, ils restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Euh, voilà ce que j'ai à dire. Alors, révérend, quelles sont les différentes étapes à suivre euh, avant de prononcer le divorce Aucun pasteur ne prononce un divorce d'abord. Il n'y a pas de divorce euh, devant Dieu. On te dit que celui qui épouse une femme divorcée commet adultère. Donc, dans l'église, la situation est très grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent La personne va en justice et c'est le juge, selon le code civil, <laughs> les prescriptions de la loi, qui peut prononcer ses divorce. Mais la personne, si elle est chrétienne, si elle est chrétienne, aucun personne ne la suit. Hein. Tu t'engages toi-même. Voilà ce que Dieu a dit. Tu prends ta décision sur Dieu. J'ai vu des gens, les femmes les ont quittées. Elles sont allées se marier, mais elles sont restées seules parce que l'engagement qu'ils ont pris jusqu'à ce que la mort vous sépare, pas jusqu'à ce que quelqu'un la séduise euh, et qu'elle s'en aille de chez toi. Non, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est un engagement terrible, c'est un engagement puissant et profond. Alors, euh, Révérend, est-ce que vous avez des messages particuliers à adresser aux futurs époux et aux familles, aux familles et aux décideurs euh, pour euh, asseoir une bonne société rapidement Le conseil que je donne aux familles, hein, c'est qu'il faut des fondations avant de s'engager dans le mariage. Le garçon doit avoir une stabilité psychologique, une stabilité même matérielle. La Bible dit soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu te bâtiras une maison, un foyer. Donc, il faut être prêt. Il ne faut pas se précipiter euh, dans le mariage. Il faut se préparer cela. Et le conseil, c'est ça le conseil que je donne à ceux qui veulent se marier. Ne vous endettez jamais pour vous marier. Si vous n'avez pas les moyens de vous marier, c'est que vous n'êtes pas prêt pour vous marier. C'est très sérieux. Le mariage, ce n'est pas seulement un partenariat sexuel. Non, ça va au-delà. C'est une vie. On vit jusqu'à la mort ensemble. Donc c'est l'engagement que les gens doivent avoir. Il faut qu'ils évitent la pensée du divorce de leur tête. Dès l'entrée du mariage, dites-vous que c'est pour la vie. Vous aurez des problèmes, certes, mais vous ne devrez pas fuir. Un un ne fuit pas les problèmes. Un leader, un responsable, un chef de foyer ne fuit pas les problèmes, mais il les assume. Oustaz, est-ce que vous avez des messages particuliers à adresser aux futurs époux, aux familles et aux décideurs pour asseoir une bonne société Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. C'est quoi prendre ses responsabilités Il faudrait que l'État assure un enseignement de qualité il faudrait que les parents à la maison s'assument, les enfants à l'école aussi s'attellent à avoir le savoir qu'il faut. Et je voudrais revenir euh, un peu sur ce que mon frère dit. C'est-à-dire que le divorce, là, quand ce moment arrive, qu'on le veuille ou pas, ça va intervenir. Puisque sur le plan philosophique, il est dit, aucune situation n'est permanente. Aujourd'hui, vous vous aimez. Demain, vous pouvez... L'amour peut prendre fin. Mais la solution, quand vous ne vous quittez pas, c'est ce qui pousse certains à commettre, des crimes. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou. Il est prédicateur en islam. Nous étions également avec euh, Révérend Sabo Bachiri, et qui le secrétaire général de l'Alliance des missions et Églises évangéliques du Niger. Amen. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence euh, sur nos 31 radios partenaires. Merci, au revoir.